Auditrice et auditeur du studio Kalangu, bonjour. Il vient d'être 11h à Niamey et c'est l'heure de notre émission Les Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Habiba Ahmed avec moi, Rabi Amekano. Bonjour Rabi, comment tu vas Je vais bien Habiba, alors présente-nous le programme de ce matin. Rabi, il y a d'abord le flèche d'information, la rubrique santé du mardi. Nous ferons un tour à l'intérieur du pays pour l'écho des régions qui nous amène à Tilabiri. Après, chers auditeurs, vous suivrez les lotis préparés par les desk femmes du studio Kalangu. Dans la partie invitée du jour, nous recevons M. Souley Zainou Deni, agronome au Comité international de la Croix-Rouge à CICR. Avec lui, nous verrons l'apport de son programme dénommé Agro au Niger. Les Niger sur Kalangu, c'est aussi de la musique 100% nigérienne. Top, c'est parti pour une heure d'information et de divertissement. tout de suite le flash d'information avec Rukayatou Abdraman. Bonjour Rukaya, quelles sont les nouvelles Bonjour Rabi, bonjour Habiba. Alors pour le flash d'aujourd'hui, l'ambassadeur de la République euh, populaire de la Chine au Niger, Xi Feng, a été reçu hier par le chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani. À sa sortie d'audience, le diplomate euh, chinois a déclaré avoir échangé avec le chef de l'État sur les relations d'amitié et de coopération bilatérale. Le chef de l'État a exprimé sa satisfaction par rapport à la signature des accords concernant l'avance sur la commercialisation du pétrole du projet Agadem 2. Il a aussi ajouté que cette avance contribuera totalement au bien-être du peuple nigérien et en toute transparence. Une réunion de prise de contact s'est tenue hier entre le ministre d'État de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de brigade Mohamed Toumba, avec les administrateurs délégués nouvellement nommés à la tête des collectivités territoriales. Cette première rencontre a été organisée pour qu'ils puissent répondre aux aspirations réelles des populations nigériennes. Ils sont au total 105 administrateurs délégués sur les 200 66 communes du pays. Enfin, une saisie de stupéfiants d'une valeur de plus de 30 millions de francs CFA a été opérée à Dosso par les patrouilles mixtes du Boboy ce week-end, et cela grâce à des informations fournies par les populations. Selon le gouverneur de la région, Dosso est devenu un boulevard de trafic de tout genre, pas seulement la drogue, mais aussi les armes et les munitions, du carburant, des motos pour ravitailler les terroristes. Il a demandé à tous de redoubler d'efforts et de vigilance pour arrêter cette situation qui devient de plus en plus inquiétante. C'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci, Merci À bientôt. Chers auditeurs, comme annoncé plus haut, nous sommes en compagnie de M. Suley Zenoudini dans ce studio. Il est agronome au CSR. Bonjour Soleil. Bonjour, Monsieur M. Merci d'être passé au studio Kalango. Mais avant de rentrer dans les vifs de notre sujet, nous allons écouter la première musique de notre playlist. Il s'agit du titre Nimas Chittawen. C'est ça, Habiba, je me suis Voilà, défi de l'église ». de musique originaire du Niger, composée de femmes talentueuses qui jouent de la musique traditionnelle touareg. Leur musique est caractérisée par des paroles poétiques en tamashek. Elle apporte une touche moderne à la musique traditionnelle touareg, tout en persévérant l'authenticité et l'âme de leur culture. Aussi, l'album Nima Habiba qui veut dire en français Regardez droit dans Voilà, a été créé et très bien accueilli par la critique qui a permis au groupe de se faire connaître à l'international. Euh, une rythmique et la qu'on appelle, c'est ça Et la je ne me trompe pas. Et euh, cette rythmique est euh, jouée lors des cérémonies de mariage, des réjouissances culturelles. Alors, revenons à notre invité, Monsieur Soleil. Vous êtes agronome au CICR. Pouvez-vous nous parler du CICR et de son programme agro au Niger eh, Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Donc, parlant du CICR, je dirais que c'est une organisation humanitaire internationale neutre et indépendante qui œuvre depuis plusieurs années pour atténuer les souffrances des populations touchées par les conflits armés et autres formes de violence. Ok. Et quelles sont vos zones d'intervention au Niger Donc, euh, nos zones d'intervention au Niger, nos zones d'intervention au Niger sont la région donc de Difa, la région de Tawa et la région donc de Tilaberi. Ok, revenons un peu sur le programme euh, agro. Parlez-nous de ce programme. Voilà, concernant le programme agro, donc euh, elle vise en fait plusieurs objectifs, à savoir contribuer à la relance de la production agricole des cultures pluviales et des cultures maraîchères dans les zones d'intervention du CICR elle contribue également à la reconstitution des stocks alimentaires en accroissant donc les disponibilités des denrées de première nécessité pour les communautés ciblées jusqu'à produire en fait un surplus qu'ils peuvent vendre pour répondre à d'autres besoins essentiels des ménages, ce qui contribue à accroître et renforcer la sécurité alimentaire pour les ménages les plus vulnérables et déstabilisés économiquement quel est concrètement le soutien que vous apportez aux exploitants agricoles en termes d'accès aux engrais dans les zones affectées par le conflit armé Merci. En termes donc euh, d'accès aux engrais pour les populations dans nos zones d'intervention, elles concernent principalement les cultures irriguées, c'est-à-dire le maraîchage. À par exemple, région reconnue pour sa forte production du riz, particulièrement notre appui, notre assistance concerne donc les riziculteurs. Pour cet appui, nous avons procédé par une foire en engrais dans les villages de Sansani Hausa, Kulbaga, Diadi Akado Djambala et Daikaina Bella. À travers cette foire, le CICR a injecté 66 millions de francs CFA, correspondant à 28 000 francs CFA pour un pour l'achat donc eh, pour chaque bénéficiaire pour l'achat d'un sac de riz, donc eh, d'un sac de 50 kg durée et 38 000 francs pour l'achat d'un sac de 50 kg de NPK, soit un montant total de 66 000 francs par bénéficiaire. Notez bien, en fait, pour euh, vous rappeler, cette foire aux engrais est une réponse directe et priorisée donc des résultats d'une évaluation spécifique mhm. agro réalisée dans les villages concernés. En effet, cette évaluation, faite en octobre 2022, avait réuni l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire les riziculteurs eux-mêmes, les autorités administratives et coutumières, les services techniques de l'agriculture, mais aussi l'ONAHA qui est l'Office national des aménagements hydro-agricoles. Donc cette évaluation a fait ressortir l'engrais constitue un facteur indispensable à la production donc du riz dans cette région. Cependant, cependant la chérité de l'engrais la rend moins accessible à certains riziculteurs vulnérables. Très souvent même quand elle est disponible, elle est de euh, parfois euh, la qualité fait défaut. De mauvaise qualité. Voilà. Donc, par exemple, nous donnons en titre d'exemple, avant, le sac de 50 kg riz est vendu à 13 000 francs et présentement elle est à 29 000 francs, voire 35 000 francs dans certaines contrées de la région. Voilà. Donc pour celui de la région de Difa par exemple, réputé aussi pour la production du poivron, le CICR a aidé les agriculteurs euh, par donc la mise en disposition donc d'un cash de 80 000 francs qui leur a permis d'acheter de l'engrais, la location motopompe, mais aussi le fonctionnement pour l'irrigation donc des parcelles maraîchers, Soit 1000 ménages ont été assistés. Mais dites-nous quel type de programme vous déployez pour améliorer la vie et la sécurité alimentaire des communautés euh, affectées par ces crises Donc, euh, concernant euh, les types de programmes, concernant donc les, les, types de vous dites Les types de programmes que vous déployez pour améliorer la vie et la sécurité alimentaire des communautés affectées, hormis cette, donation et cet appui euh, aux, agriculteurs Donc au Niger, nous intervenons donc dans les régions de Tilaberi, comme je l'ai dit, mhm. Tawa et puis Difa. Donc nous procédons par la distribution directe des semences euh, certifiées, des cultures pluviales et des cultures irriguées, basées sur le choix des bénéficiaires. Ok et en parfaite harmonie avec les services spécialisés de l'État qui les appuient dans ce domaine. Nous procédons aussi à la distribution des petits matériels aratoires, notamment les pelles, les râteaux, les pulvérisateurs, les motopompes, etc. etc. Nous procédons aussi au renforcement des capacités de ces bénéficiaires à travers les services techniques qui les appuient donc pour les bonnes pratiques agricoles. Donc, entre autres aussi, nous appuyons aussi le développement de certaines chaînes de valeur dans les régions où nous intervenons, notamment par exemple à DIFA, où nous avons appuyé la chaîne de valeur production de semences certifiées de euh, pour la variété de 2000 Shakti, qui est une variété biofortifiée, le Niébé euh, avec la variété TN578, qui sont très appréciés par la population mais aussi il y a l'arachide. Ok, merci d'avoir répondu à ces questions, Monsieur Soleil. Nous allons euh, encore souffler en musique avant de continuer nos échanges. Et le prochain titre est Fais pas semblant de, de Kaz Liman. <laughs> fais faire semblant. D'abord, si quand c'est qui, ces gars, ne fais pas semblant. Ne me fais pas garder à mon dos. Il faut choisir ton camp. On ne te redonnait pas le tambour L'hypocrisie, le malin, c'est mes pas Babylone, Babylone. Des moments vraiment bête, il t'assaille. le jamais l'occasion de te liquider. Nagani, mon afflèche, n'a t'es commis pour diviser. Tout pour me déguiser. Et d'abord pour te cisailler, Babylone. Mon gros yeah, yeah de m'aimer si tu me détestes. Trop c'est faire semblant, d'abord si quand c'est qui ces gars, ne fais pas semblant. Ne me fais pas garder à mon dos, ne faut choisir ton camp. ou ne te redonner pas le tambour. L'hypocrisie, le malin, c'est mes par Babylone, Babylone. Des mamans, avec il t'assaille. T'auras jamais l'occasion de te liquider. N'a gagné mon affaire je t'ai commis pour diviser. Tout pour me déguiser, et d'abord pour te cisailler. Babylone. Mon Babylone, yeah, yeah. Hey yo, Mon brother, my name is Sam, c'est name hanté, il faut que les gars brisés. Les gars dit, trop de liquide divisé, vous êtes saigné. Relation divisée, le mal de trop se fait s'aimer. Les le niens, nous devons d'ailleurs pour mieux régner. Mais pour ces choses merde, tu ça venir à laisser. Ça coche trop vite, ça fait me mettre en l'été Et pour ces l'été, ils suivent la mort. Ils veulent tout pour eux, tout sur eux, leur raison. Et pour cela, ils diront jusqu'à jeter les sauts. Seulement pour toi, pour toi, ceux qui te kiffent seulement la mort. Semblant de mes si tu me détestes, trop c'est faire ne ne fais pas semblant, ne me fais pas garde à mon dos. Ne faut choisir ton camp, pour ne te redonner pas le tambour. L'hypocrisie, le malin, c'est mes pas Babylone, Babylone. Des mamans, avec un il t'assaille. T'attendras jamais l'occasion de te liquider. Nagani, mon appétit, je t'ai commis pour diviser. Tout pour me déguiser, Et pas pour te cisailler. Babylone, mon gros Babylone. Mais si tu me détestes. Faut se faire semblant. D'abord, c'est ne ce qu'il y a, ces gars, ne fais pas semblant. Ne me fais pas garder à mon dos. Il faut choisir ton camp. Pour ne te redonner pas le tambour. L'hypocrisie, le malin, c'est mes pas Babylone, Babylone. Des mamans, t'a bec, il ne perdrai jamais l'occasion de te liquider. N'a gagné mon avenir, je t'ai gommé pour diviser. Tout pour me déguiser. Et d'abord pour te cisailler, Babylone. Mon gros Babylone. mpira taka yarda tukene magareka la loi qui cool sans arrêt tukene que kumia. devenir leur manipuler d'un niveau t'es haïkiba laisse-toi faire et tu seras jusqu'au zo les pour te niquer au ramassé. et Eh oui, ça c'est du grand Kazliman. C'est un artiste connu pour ses paroles engagées. Habiba, sa musique reflète les réalités sociales et politiques du Niger. C'est ce qui a permis à cet artiste de gagner en popularité. Il devient littéralement une figure importante de la scène du rap au Niger convaincu, mouriront les est bien en l'air. Elle c'est comme mon appétit, destination à faire. Les approuvés qui désapprouveront va watt dingue. Gamé, gamé de gauche à droite, la honte sociale. C'est pas semblant de m'aimer si tu me détestes. Trop c'est faire semblant. D'abord, c'est quand c'est qui a ces gars, ne fais pas semblant. Ne me fais pas garder à mon dos. Ne faut choisir ton camp. On ne te redonner pas le tambour. L'hypocrisie, le malin, c'est mes par Babylone, Babylone. Des moments avec un il t'assaille. Ça t'aura jamais l'occasion de te liquider. Nagani, mon appétit, ne t'égo pour diviser, tout pour me j'ai Le drapeau pour te Babylone, mon Babylone, yeah, yeah. On me fait pas semblant de mes si tu me détestes. Faut se faire semblant de tu Yes, gars, ne fais pas semblant. Ne me fais pas garde à mon dos. Ne faut choisir ton camp. Pour ne te redonner pas le tambour. L'hypocrisie, le malin, c'est mes par Babylone, Babylone. Des moments il avec un Tu N'attendra jamais l'occasion de te liquider. N'a gagné mon avenir, je t'ai commis pour diviser. pour me il Et d'abord pour te cisailler, Babylone. Mon gros Babylone, yeah, yeah. Yes. Chers auditeurs, on espère que vous avez kiffé cette puissance musicale, la puissance de la voix, du texte. Voilà cet effet pas semblant du grand gaz Liman. Il est 11h passé de 20 minutes. Si vous venez de prendre l'émission en cours, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Niger sur Kalangou. Pour rappel, Sule Zenoudini est agronome au CICR et c'est l'invité du jour de l'émission Les Niger sur Kalangou. Alors Suley Comment travaillez-vous pour mieux connaître les besoins des communautés dans les zones où vous intervenez Merci euh, pour la parole. Donc une fois de plus, euh, merci encore, je dirais, pour cette belle question. Le CICR, pour connaître les besoins réels des communautés dans nos zones d'intervention, nous procédons à une évaluation d'identification des besoins. Cette activité est c'est une activité très complexe impliquant plusieurs acteurs, parmi lesquels la Croix-Rouge nigérienne, les autorités administratives et coutumières de la zone d'intervention, les représentants des communautés cibles et les cibles spécifiques. Donc une enquête ménage est à trianguler et recouper avec des entretiens de groupes de discussion et d'entretien avec les acteurs clés Autre aussi, il y a les services techniques de la mairie, les services techniques du domaine concerné, c'est-à-dire l'agriculture, souvent aussi des services donc de, du génie rural et autres. Donc pour permettre et comprendre le problème les, et les besoins réels des communautés. Enfin, les besoins sont priorisés en fonction donc du degré de la crise avec une participation effective de la communauté concernée. Euh, pouvez-vous nous dire ce que vous avez eu à faire en fait et en chiffres au profit des communautés en 2023 dans le domaine agro et autres programmes au Niger Donc, en ce qui concerne euh, le programme agro Niger en 2023, nos réalisations sont les suivantes. Donc, une distribution de 119,25 tonnes de semences des cultures pluviales composées du mil, du niébé et de l'arachide euh, au, profit donc euh, des, bénéficiaires des régions donc de Difa, de Tilaberi, pour satisfaire environ 6500 ménages qui euh, sont donc des statuts différents, à savoir des déplacés, des réfugiés. Il y a aussi des retournés, des résidents, mais aussi la population haute. Donc, il y a aussi une distribution donc de 8,4 tonnes de semences de cultures maraîchères au profit de 2500 ménages, parmi lesquels 1000 ménages avaient reçu 80 millions donc de francs CFA et 500 ménages avaient reçu en plus donc des kits de petits matériels aratoires composés donc de râteaux, de binettes, de roues, des pelles, des seaux et des arrosoirs. Donc euh, Là aussi, elles sont constituées de plusieurs statuts, c'est-à-dire qu'il y a des déplacés, des réfugiés, des retournés, des résidents, mais aussi la population haute. Au-delà de tout ça, nous avons procédé aussi à la distribution du cash, donc euh, au profit donc de ces populations qui pratiquent en fait la riziculture, 1000 bénéficiaires euh, qui ont bénéficié de 66 millions de francs CFA. Euh, à part cela, nous avons initié aussi euh, la production donc, euh, des semences certifiées, donc, euh, où 14 producteurs de la région de Difa ont été appuyés sur 120 hectares qu'ils ont emblavés pour la production donc, des semences de mil, de niébé et d'arachide. Il y a aussi, à part tout cela, nous avons appuyé des groupement de femmes, de femmes allées, à qui on a donné 9 kits, donc euh, composés donc des, kits de panneaux solaires qui contribuent non seulement à permettre, à, faciliter l'irrigation pour eux, puisque ces femmes-là ne disposaient pas en fait de, de, moyens pour le faire. Donc, euh, en plus de cela, ils ont été aussi appuyés avec 2 760 000 francs CFA pour des frais de roulement. Alors, Soleil, quelles sont les perspectives en 2024 pour le CICR en termes d'activité pour soutenir la résilience des communautés Donc, pour l'année 2024, plusieurs euh, perspectives sont en ligne de mire pour les zones d'intervention du CICR. Mm. Donc, il y a le soutien direct euh, des ménages pour la distribution des semences, 5500 ménages sont euh, à programmer pour recevoir 99,99 tonnes de semences des cultures pluviales et le soutien à 2500 ménages pour recevoir 8,430 000 kg donc de semences des cultures maraîchères. Le soutien aussi à la chaîne de valeur production des semences avec 25 producteurs, cette fois-ci euh, donc 15 à Difa et 10 au niveau de la région de Tilaberi pour un total de 175 hectares à emblaver. Enfin, dites-nous euh, si vous rencontrez euh, une quelconque difficulté pour, dans l'approvisionnement des vivres et autres communautés dans vos zones d'intervention. Donc, en matière donc, de difficultés, dans l'assistance que nous faisons, il s'agit euh, essentiellement donc euh, de l'indisponibilité souvent des semences de qualité, puisque les zones euh, sont des zones en tout cas difficiles d'accès où les, conflits ont fait en sorte que les semences ne sont pas disponibles. C'est pourquoi d'ailleurs nous initions en fait des programmes donc de production de semences où nous avons déjà commencé avec la région de Difa et nous comptons répliquer cela dans la région de Tilaberi. Mis à part cela, il y a euh, l'impraticabilité des routes puisque les programmes agro donc, suivent souvent des calendriers et euh, en période hivernale, les routes sont presque impraticables. Mais pour, euh, pour résoudre ce problème, nous mettons à leur disposition très tôt les semences avant que les pluies ne commencent. Ok, euh, bon courage dans ce que vous faites. Merci mm. d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Soleil. À la prochaine pour d'autres questions agro. Bonne journée, euh, Bonne journée à vous. Merci. Merci. On se reprend juste après une pause. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, il est 11h passé de 28 minutes et c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire de l'émission Le Niger sur Kalingou consacrée au sujet santé. Et dans la rubrique hebdomadaire de ce mardi 16 avril, nous parlerons de l'hépatite. Oui, l'hépatite est une inflammation du foie et se décline sur cinq formes désignées par les lettres A, B, C, 2 e. Pour rappel, en décembre 2021, 86 cas d'hépatite virale et dont 25 décès, ont été enregistrés dans la région de Dufa. Cependant, les plus fréquents au Niger sont l'hépatite A et B. Plus de détails avec l'étudiant en médecine Abdoulaye Issa Aboubakar. Il est interrogé par Zainabou Abdou. Qu'est-ce que l'hépatite euh, L'hépatite, c'est un processus inflammatoire du, du foie qui est caractérisé par une nécrose hépatocellulaire, donc une destruction des, cellules du foie qui peut être focale ou bien diffuse, donc euh, soit une partie du foie ou bien la totalité. Et elle peut être chronique comme elle peut être aiguë. Combien de types d'hépatite existent-ils On peut les classer en hépatite aiguë et en hépatite chronique. Les hépatites euh, chroniques, c'est quand ça évolue depuis plus de six mois généralement. Et les hépatites euh, aiguës, il en a plusieurs formes. D'abord, les hépatites virales, les virus spécifiques de l'hépatite qui sont le virus de l'hépatite A, B, C jusqu'à D. Il y a l'hépatite alcoolique. L'alcool, une consommation excessive d'alcool entraîne une hépatite qui n'est pas virale il y a la stéatose hépatique non alcoolique. Donc une accumulation de graisse, ça c'est chez les personnes qui sont obèses et qui développent euh, une euh, résistance à l'insuline. Donc ça prédispose à une hépatite. Il y a les maladies auto-immunes il y a des maladies génétiques, il y a d'autres virus qui peuvent encore entraîner l'hépatite tels que euh, le cytomégalovirus ou la mononucléose infectieuse. Des infections parasitaires peuvent entraîner l'hépatite comme le paludisme l'amibiase intestinale aiguë. Quels sont les types d'hépatite euh, qui sont le plus présents ici au Niger Les types d'hépatites les plus fréquents sont les hépatites virales, bien sûr, notamment l'hépatite A qui peut même passer inaperçue. Vous avez l'hépatite B et il y a aussi l'hépatite euh, alcoolique. Ce sont les, généralement les plus grands types qu'on rencontre ici. Alors parlez-nous de l'hépatite A. L'hépatite euh, A, c'est une hépatite qui est due, une destruction du foie comme on l'a défini, une nécrose hépatocellulaire entraînée par le virus de l'hépatite A. Et ce virus, il a une transmission orofécale, c'est-à-dire euh, en consommant des, aliments ou comment ça s'appelle, un manque d'hygiène en fait. Donc les excréments d'une personne infectée et sont considérés infectés. Donc lorsqu'on manipule euh, des légumes, ainsi de suite, ou des trucs qui ne sont pas bien lavés, on peut contracter, euh, n'est-ce pas, l'hépatite A. Quels sont les symptômes de l'hépatite A Donc, euh, euh, les signes cliniques, une hépatite virale aiguë, parce qu'on est en train de parler des hépatites virales, une hépatite virale aiguë, qu'elle soit A, B, C, D, elle peut passer inaperçue, donc sans aucun symptôme. Lorsque ces symptômes apparaissent, ce sont souvent des symptômes euh, d'une atteinte virale non spécifique. C'est selon des phases bien prévisibles. La phase d'incubation qui dure, euh, selon le virus, entre 15 et 180 jours. Pendant cette phase, le virus ne fait aucun bruit, il se multiplie. Vous avez la phase prodromique ou la phase pré-ictérique. Il y a les symptômes généraux, une perte d'appétit profonde, un malaise, des nausées, des vomissements vous avez un dégoût récent de cigarettes pour les fumeurs, la personne va sentir qu'elle n'a plus envie de fumer. Une fièvre et des douleurs abdominales latéralisées vers la droite, peuvent être observées. Euh, une urticaire ou euh, des arthralgies peuvent être observées aussi lorsqu'il s'agit de virus de l'hépatite B par exemple. Il y a la phase ictérique qui dure 3 à 10 jours. Les urines deviennent foncées, et les yeux deviennent jaunes. Les symptômes généraux cités tout à l'heure vont commencer à disparaître pendant cette phase-là et ça dure une à deux semaines. La phase de récupération. Donc, l'hépatite virale aiguë guérit en quatre à 8 semaines maximum, sans traitement, parce qu'il n'y a pas de traitement spécifique pour les hépatites virales aiguës. On fait juste un traitement de support. Si la tête fait mal, on donne les trucs pour calmer. Et euh, on évite l'alcool, il faut éviter l'alcool parce que l'alcool aggraverait encore la maladie. Il y a des restrictions alimentaires de ne pas manger trop de protéines pour ne pas donner beaucoup de filar et au foie. Et de traiter l'hépatite virale C parce que l'hépatite virale C, son problème est qu'elle a une grande contagiosité, elle évolue rapidement vers l'hépatite chronique. C'est pourquoi s'il s'agit de l'hépatite viral C, on traite avec des antirétroviraux. Entretien réalisé par Zenabou Abdou. Poursuivons en musique cette fois-ci avec les morceaux officiels de Kitari intitulé Je suis béni. Négritude Dieu. Eh, la vie est ainsi faite, tout le monde ne peut pas avoir le même destin. Oh ouais. Eh. Quand Dieu décide d'ouvrir les portes de ta destinée, rien ne les ferme. Oh ouais. Eh. L'argent, la santé, le bonheur et l'amour, oui Dieu m'a donné. charmer la chance aussi, oui Dieu m'a donné, donné. basira wani baya so ya shi ka samu sai dai ya yi da ikon Allah Allah ke badawa Ware ma kakaka irma papata a kirkote an da miza satata yama wa kakaka irko gom noka abiza kuno si kanga tatata Ware ma kakaka tata tata tata tata Ware ma kakaka tata tata tata tata Tata hita Kalisi Son vrai nom, Mohamed Harouna Kitari Koulibaly, est le fils de l'une des plus grandes voix de la musique nigérienne, Fatih Mariko. Artiste, compositeur, interprète et acteur, c'est lui qui fait de la world music et la nouvelle révélation de la musique nigérienne. C'était Je suis béni de Kitari, place à l'écho des régions et direction Balayara. La puce de 500 francs n'est plus acceptée dans certaines personnes dans la commune rurale de Tagazar, région de Tilabiri, notamment dans les marchés. Commerçants et clients expliquent le pourquoi de leur refus. Plus de détails dans ce reportage de Seyd Abdou Wunditan. labai kan wogan na fanda noro kan signe sefa kan go bank bero kan signe bese a wucire isintin ku goida zangu ga koza ansar ji zambar hinka di hinza december hando a girboran kicin tacha amma zango ne a wata sandai bore da kirgamara nango tagazar kominora irin hangan kuma fatauci zufuwen kan girfa hamandinda wallahi zango ko ayo girban da faita zambar wane bore wanji kanta ba an da gano hunkun ba an da borfo gano jirenin no zango wallahi a shadda kadde ni nike ji zango kwafta kanno shi ba amma furbe ne amma inda kirari ba man ka daga ba ita ji fuldin no wasa wallahi ganin shi bara ke no dai kirga to ne kake ima gona safara din kaje zambar shiga ganga to zambar a gona sai imani ishanta zambar sai mun shi kwalnya mai kane ne ko banki ayo dai fa gine ne ko no wallahi zango ko dirgo guduwa ya bore kan da irisa amma din no bora sai bora shi bara kaga dai ni ga ginai ni ganta bora sai amma no din no bora sai bora shi bara dai zango kizu din na goni sai wallahi ni gwa won hare to lalle o kan da guye bayan gai bor zanguna ai gata dai ni tayi wonye mene ko na no da ngai bo mai ko na kunna ne so mo da ga sai ne in kun dai ko na ne ji kuke ni ko na ne mai gata dangamar kirki da wai bore kici bore kan tarka nuro wota ifo seno isata to ayo zango kan kan sai sibara te dai go tene dai go nzo to yandal guyan din kangara kula han fo bar mai ga dal guno yan no gano wori sai nai wo ai sibara ai ma da yaki norno kan da kan borse borsidiya ko irin mo borgi hingano mo boda dal guno yan da kopta mo no da go borse ba akan borse borgi dia amma mu da zango ko ka mo da kan borse ta sira borsidiya zango go ka masalla gonda te bur ko sibara bur ko ndai se kawai bore mu kan ka bu wa dini no ne ngai sibara sata kan ga go da inna da mi zai alhaka ke kina kan signi NDDH a jin funa nango balle ar kan signi salu dan da koi a fahama ni bore se kan de se awo hinno gonda fonda kan hin kun wurdan wala maka ya dinga bore fam kan kiti fonda ngono boy kul kan ne zongo asata asi fonda hin hinno gonda fondo amne zongo isata ngo mo fonda ki ga gana iga dan tilira ga lakkal can diga ne bore se lokaci ya kin me nuru ya kine a goyo ga kai da dai imana ci fondo kun musi bora se kan gane asata da bora ne asata hine dogono bora hin hin kon bora police do ne mi ci wala hankan C'est un reportage de Seydi Abdou Winditan. On en profite euh, de ce reportage pour faire un coucou à toute la population de la région de Tilaberi qui nous écoute en ce moment. On se reprend juste après la pause. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. À présent, chers auditeurs, c'est les rendez-vous du sport. Notre chroniqueur sportif Hassoumi Grouza est avec nous. Bonjour, Grouza. Bonjour Abiba, bonjour Abi. Alors, le coup d'envoi de la reprise de la Super League du Niger est prévu en principe cette semaine, n'est-ce pas oui, effectivement, euh, ce championnat a été suspendu pour le mois de Ramadan. C'est en principe aujourd'hui que le match euh, ou bien les matchs vont débuter à Niamey, à l'intérieur du pays, euh, selon l'instance suprême du football nigérien. la Super League a été suspendue, vous vous rappelez, lors de la 21e journée. Et maintenant va débuter la 22e journée. Pour rappel, c'est l'équipe de Fan qui occupe la première place avec 45 points suivi de l'AS Nigelec deuxième 40 points, la garde troisième avec 40 points également et Espoir de Zender en bas du tableau avec 13 points. Alors Gourouza, l'équipe nationale du Niger I-17 se prépare activement pour une compétition qui va se dérouler à Accra au Ghana. Euh, oui, euh, Abiba, euh, ça sera du 15 au 29 mai prochain pour mieux euh, se préparer le Niger à cette rencontre euh, de la jeunesse africaine, l'équipe U17, euh, est depuis quelques jours sur pied pour une préparation générale. Selon l'entraîneur de l'équipe U17 du MENA, Mahmoudou Bachir Hassandi Arizona, les préparatifs vont bon train. Hors de nos frontières, l'Algérie a pris depuis hier 15 avril 2024 le championnat d'Afrique des Nations juniors de tennis. Oui, Rabi, c'est une compétition continentale qui regroupe le Maroc, le Cameroun, l'Égypte, le Nigeria, la Mozambique, Madagascar, île Maurice, le Kenya, le Zimbabwe, le Togo, l'Angola, le Lesotho et le pays hôte l'Algérie. Le coup d'envoi a été donné hier, vous venez de le rappeler, et la compétition va achever le 20 avril 2024. Le rendez-vous est organisé par la Fédération algérienne de tennis en collaboration avec la Fédération africaine de tennis et la Fédération internationale de tennis. Voilà pour le sport. Merci pour tes infos sport, euh, Grouza. On se dit à bientôt. Bonne journée. Merci. Oui, allons-nous découvrir aujourd'hui Notre projecteur est braqué aujourd'hui sur Ahmed Moussa, un conducteur de camion Ben. Notre reporter Omar Hamma est parti à sa rencontre. Écoutons. omo jooɗi dellore makko amadou moussa indirteɗo yaaro may muradou o woni omo yaha to goruwol to ɓe ittoyta ta siini ñande fuu ngam waɗugo gollal ñibdi gollal no ngal campanigon ko won dow jonde hoore mum hokkimo ko ɓottanamo chofereejo o mo tawra andal sanne gollal ngal o watta mo dorbo lore makko watta eruji ɗuɗɗi diga o ƴeewama naange e hendu haalama mum no hi'e e yeeso makko juuɗe makko do wowti dorbaaki lore nani pantinol gol o waɗani min dow no o fuɗɗiri e golle soferaku sakko kan mota makka 2005 gada abdoulaye may kano bukkoci ottawa nden noon 2008 to kumbu boukari saydou kandu min gadi duuɓi nayyi to sinowaɓe ɗo du gari mi natumi ɗum kandu mi natan ɗo 2014 natumi ɗon wara hanne 2024 tawai mota wuro mi tawai mota ladde umarama mi tokku ni noon piɗo yimi golle lorno welu kan ni noon baane kan ni gollanmi wallahi barke heɓama tanke ko jami toon to jiɓanmi bumbo mi anda ɗum kamo fay suudu mi wala noon to gommi ko ndewlumi akaini gurdan an fu e majjum woni allah suudi miɗo wodi joni suudi miɗo wodi sukaɓe nayo le golle loore kam fu waɗi golle loore gammi e mi ɗin fu arande hoyay ba seɗɗa muñal ngal o woodi waɗi yaaro may muraadu no wonno waɗa muraaduuji mum ko watti yeeso jooni o walano umo dorbo lore makka indirteeka ben gaɗa o waɗi duuɓi ɗuɗɗi umo gaɗa looreeji o wallahi sey ni muñal ngam mi waɗi umara mi waɗi duuɓi tati mi mema e loore mi bakkili muɗum miɗo wiya no waɗa hannde no waɗan jaawo na ko toka sonna mi waawa ba egginol loore an seɗɗirmo ɓura ɗum e, e muñal fa hannde fa jaango umar hammo ba ñande allah hoore mi ɓoyle e loore ka duuɓi tati faa an 2006 miɗo maradi 2007 miɗo busikali ba ɗum mi wawa miɗo waɗa mécanique amma wawa conduit 2008 ni puɗɗumi jonka mi watta vitesse e mota ni e direction mi jooɗo dow mum ni amma 2013 gam mi permis min amma 8 puɗɗumi doggina lor warde 13 on fu jonka fu mi doggina yaade nde jami oto e kolgam permis sey bo hamma umo tawa nder higiraɓe amadou moussa mo kaare gooru o won umo mana gollal ngal o won umo waɗa wallayi amadou neɗɗo nomo andumi ley gollal muɗum imo e hinni gollal makko sanne gam neɗɗo nomo fijirta gollal muɗum wallayi o aw ƴellore nde o ɓooyi e muɗum imo e goni e mum sanne sanne sanne wallayi amadou o neɗɗo noon jom muñal du sanne wallayi o heeɓi du barke gollal makko o heeɓi e muɗum sanne o heɓi o dewli monde e koreji makko emo jogui gollal makko ngal kay hunde fof ko tawa noon ko no waɗani sengo sengo noon kay fuu sini ni wakkati gollal makko fo e fuu ɗino fof ɗalani no yawna tawa le gollal makko allah e gollal gal amadu watti yeeso o won umo heba, ko firti muraduji makko nyande fuu nder ɓaade makko o dewli mo wodi sukaɓe nayo nder haala ka kamin kalta o kasen choferejo nder kampani gon ko leyɗe jananɗe ko tawa ɗo nder gallu C'était le portrait d'Amadou Moussa réalisé par Omar Hamma rendu au studio par Oumu Oumoru. Chers auditeurs, dernière tournée musicale avec le titre Hakinta des Métaphores Crew. Écoutons. Yeah, you know what it Droit de la femme bafouée, alors que la convention ratifiée. Hein, uh, watch out, eh.

ça naturel. Kubata Hakinta, tout le monde a beau critiquer, tout le monde a beau dénoncer, jusqu'à présent rien n'a changé. Quentin de Métaphore Crew. Le Niger Sukalango se poursuit avec la chronique Loti qui parle de l'impact que peut avoir une fausse information. En effet, les fake news, comme on les appelle, ou infox, sont des fausses informations véhiculées parfois pour porter atteinte à autrui elles peuvent avoir plusieurs conséquences sur le plan judiciaire et moral. C'est pourquoi aujourd'hui, dans la rubrique Lotti, les femmes du studio Kalango appellent à plus de prudence dans les partages de nouvelles véhiculées à travers les réseaux sociaux. Rekia Arimi et Fanta Chamsou. Hey! Hina, ke Hina. Bismillah. Me ke kwala mini kira haka hal gabana ya haɗu. Me faru da ke? Ke dai yanzu duba wannan wayar. Me ya ki ga abin da aka yi min cikin wani group WhatsApp. Wacewa shugaban jam'iyyar PFK Fitila yana na raba kuɗi cikin kowane ƙauye domin a jefa mishi kuri'a. Gaskiya ce ku abin da kike faɗi. Waye aika miki wannan wasiƙa? ke dakata malama ba sanin wanda ya aiko min bane muhimmanci anan kin ga mu yan adawa ne bar mu yada wannan yashe kunnen kowa. Hattara malama, wannan labari bai da tushe, a yi bincike tukwana. Tana yiwa sharri ne. Don karya ce don me za a yaɗa shi? Don ɓata mishi suna. Wallahi ina jan hankalinki, yaɗe yaɗen labaru da basu da tushe yana da babban hatsari. Gaban nan akwai sandar duka ga duk wanda ya yi ma mutum cin mutunci, ƙorafi da duk wasu laifuka ta hanyar yanar gizo. Duka kuma? Subhanallah. Kin san da akwai wata doka ma da aka tsaida a kasar Nijar don dakile laifuffukan yanar gizo dokar 2019-33 na uku ga watan Juli na shekarar 2019. Kenan wannan yana nuna ire-iren wa'annan laifuffukan hukuncinsu yana da tsanani har ya kai a amshe kayan aikinka ma'ana na'urorinka da kake amfani da su hana ka aika duk wata wasiƙa akan yanar gizo kuma ana iya ƙulle ka da kuma cin katara. Gora duk wannan abin da kike hoɗi bai wuce gona da iri ba kuwa ni ho kawai in na samu masu ɗumi-ɗumin ne in karanta kuma in aika. Hei hajiya ki hattara wata rana za ki ƙone kanki. Ta hanyar yaɗa wannan bayani a kan shugaban jam'iyyar fitila idan har ba a tabbatar da shi ba kin zubar da mutuncin wannan mutunan ne da kuma bata masa suna wannan kuma bai kamata ba. Hakka ne abin yake gora wannan al'amarin yana da nauyi wallahi. amma idan haka ne gaskiya ina matukar jinjina miki bisa faɗakar da ni da kika yi a yau ba komi muna tare kin ma katse ni ai ban kare faɗakar da ke ba akan laifukan yanar gizo to ina jin ki gora kin shigo Idan kuka aikata laifi ta hanyar sadarwa ta yanar gizo, juju na iya yanke hukunci kuma ya bada umarni, yanke shawara akan wannan matsakaicin tsakanin kwanaki goma sha biyar. Idan baka yi haka ba, za a yanke maka hukuncin ɗaurin gidan yarin shekaru uku zuwa shekaru shida, da tarar da ta kama miliyon ɗaya zuwa miliyon goma. yanzu kam amfani da yanar gizo akwai hatsari kice. Kwarai kuwa. Kana iya kuntatawa mutum ba tare da ka sani ba. To ma sun yi shi da gangamwa sun shiga uku kenan. Ke ni na ma daina amfani da WhatsApp daga yau kuma zan cire shi daga wayata. Kin ga ba sai na yi kokarin aika wani abba. <laughs> ke tsaya malama ba a kai nan ba kar ki cire kanki daga cikin duniya mana ki bar aika kawai abubuwan da ba su dace ba aka ce ai karki damu yanzu zan yi hattara sosai <laughs> madalla hakan ya fi to yanzu kuma zo ki ga wani bidiyo ni don allah rufa mini asiri ka <laughs> ashe wani labarin ne da bai da A <laughs> a'a bidiyon cikon shekara ta ne na sani ne ni to kin tsorata très édifiant, donc euh, vraiment vérifions ce que nous partageons s'il y a la possibilité, Habiba. Eh oui. Grand merci aux desk femmes de la rédaction pour ces multiples conseils. À présent, accueillons Mama Ada pour la culture linguistique. Mama Ada, ina la ya, Habiba. yau zancen zahi zami ko haka kamar da turanci kuke cewa shalar kuma jiya har da turanci an yi batun shalar a yau za magana kan zafi zafi ana nufin wato yanayi wanda yake karuwa na dumamin yanayi wannan kuma yana sa ana gane cewa muna cikin watan afrilu kuma watan afrilu kowa san da wata ne na zafi ana iya samun wato digiri na eh, wato digiri na 45 na zafi har zuwa ma 46 a cikin wannan lokaci lokaci da muke na zafi da haka ake son wannan lokaci na zafi ya kasance mutane eh, suna samu suna shan ruwa kuma su kasance a kudushe cikin wuraren da ke da dan sanyi haka saboda wani bizahi in yayi yawa mutane suna eh, kamar sukewa kawai su yana ragewa da haka muna ganin wannan wata na april wata ne wanda ya kamata musamman a kula da yara saboda zahi ba ma yara sauku da tsofaffi su ma zahi ba musu kenan dole a wannan wata na na afrilu a sanda lokaci ne dama na zafi to amma kuma abin da yake da kyau shine na cewa idan zafi yana yawa to akan samun ruwa tuni ma an fara samun ruwan sama a cikin wannan kasa tamu kenan muna ganin alheri ne tun da damuna tana shirin zuwa haka ne to mun gode ka kare ko na kare Chers auditeurs, merci de votre fidélité au programme du studio Kalangu. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages. Écoutons quelques-uns. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. sunana malam saminu daga nan garin ciro abin da yake burge mu game da studio kalango shirin nan nasu na karfe sha 11 zuwa 12 nan da muna sauraron shirin nan na marece sosai to kuma da suka sake wannan shiri abin ya burge amma duk da haka na ba mu bar wancan shirin na karfe 5 din nan na yamma albarkacin wannan sallah karama duk yan uwa da mun na arziki na fadin Nijar duka muna gaida su muna gaida Ibrahim Gomba ba Allah gidan rediyon takita. muna gaida Malam Sani da ke garin Kwargon muna gaida Isiya Direba direba wanda yake garin mata mai tunda studio kalangu yana kaiwa ko ina don nijar ko ina ne kurum sunana hadiza daga garin bosheri muna jin daɗin shirin da studio kalangu take yi musamman akan mata alman gaugawa da rashin zuwa lakwal ina gaida hajara a garin gosheri ina gaida baraka mai kwando ina gaida nana ni ne tsaye amu kasar urafa muna sauraron rediyo sidiyo kalangu yana wayar da kan jama'a can da ana cikin yan matsaloli ma amma albarkacin ana saurari mutane yanzu sun fara ganiya saboda cikin ɗan lokaci kaɗan ne ake yin shi zuwa sha biyu ta rana ko haka zuwa ƙarfe biyar na mare kenan tunda abin nan yana ci gaba da jama'a yana waye musu kansu ya kamata a ce ma tunda sahi in aka kama shi har mareci. daga nan garin studio shirye-shiryen nan da ake yi cikin studio shi ke burge ni ina yawan sauraron gaskiya shirin na yana burge ni studio kalangon shi mu matasa a nan garin Ciro sunana Aisha nan site soni Shar ni da mama ta kullum muna sauraron shirye-shiryen studio kalango shirin na matasa yana burge ni muna yawan sauraron su shirin su na rana da karfe goma sha daya zuwa karfe goma sha biyu yana burge mu Allah ya taimaka ina shoyan studio kalangu sosai ma a ɗari bisa ɗari nake shoyan ta kawai ra'ayi na bisa studio kalangu gaskiya akwai wani shiri da suke yi na zoki je ki ina da shirin nago ina ina son shi kwarai kwarai kwarai kwarai eh tunda akwai abubuwa da ake bayyana wanda mutane ba su ma san da su ba kuma yana ƙayatar da mutane ana sa kaman irin harkar jiya kuma har da yau ma ana sa ciki Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Fin de cette émission de ce mardi 16 avril 2024. Rendez-vous demain à la même heure. Vous étiez avec Habiba Ahmed et Rabia Mekano. L'édition a été assurée par Adam Adawaki et Rayla Toussoumana. Et à la technique, nous étions avec Amina Hassan. Vous pouvez nous réécouter sur notre site web www.studio-kalangu.org ou sur la page Facebook du Studio Kalangou. Je vous retrouve à 17h15 pour le journal en D'ici là, passez une excellente journée.